alsilama kulu mataran kani arma barkan da kunki ne aran siga hangana kala a furta gay radio ase ai ai olivier as <laughs> moktar tinma ai moktar no gono garon fondo kayan ah, ai gerga habibu garba gono Albarkacin ranar Afirka gungun je 7 verd 77 okay. Albarkacin ranar Afirka gungun je 7 la ilaha illallah <laughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Albarkacin ranar Afirka gungun je 7 Ah, no, no, no, c'est pas vrai ça. Hein? Ah, waɗi iri ñawguntoroɓe keme ɗiɗo e capanɗe jeegom e, e to cakka merde to rewɓe keme ɗiɗo e cap ashe rosta no de kunci e de ashe ha ala ah, ah, oh, la la la la la kai aikin ga ko hala ha hangen nisa hangen nisa che je wala hangen nisa hangen wallahi singa prononce guna so ana usanni hange okay au Maroc en janvier 2021. C'est faux, c'est au Cameroun. Au Maroc, hein? <laughs> J'ai dit Maroc. <laughs> Assis sur le bord de la route avec ses mm, mm, bah, quatre enfants. Assis sur le bord de la route avec ses quatre enfants. Abin shafi Bangaran. bal shafi Bangaran. shafi reprise. Et ces écoles sont dans l'incapacité d'accomplir de nouveaux élèves et ces écoles sont dans l'incapacité d'accueillir de nouveaux élèves. C'est 1 4 3 2 1 0. C'est parti j'ai fait une grosse erreur. J'ai dit 2018-2020. <laughs> Putain, c'est faux. Imkola, <laughs> no din maradi porpore kan sigine a daidaita. data. Pour pour pour. Euh, il faut pour pour pour. Malgré le risque que son métier comporte et les préjugés et les préjugés et les préjugés préjugés et les préjugés de le vaccin contre la COVID-19 peut nous protéger quand contre hein, il faut nous mon enfant am te pause <laughs> aux reprises aux reprises comment utiliser hey utilisation oh, Estagfirullah, eh, estagfirullah. Hey, ifo nigi ne gubai wa funai ban da fa. Studio